Euh, nous pouvons dire que depuis 2010, 2012, il y a des gens qui sont allés là-bas et ont cherché vraiment à acquérir euh, des parcelles de 150 mètres carrés, de 300 mètres carrés et même de 900 mètres carrés. Euh, et, cela depuis 2012. J'ai même entendu un gars qui dit clairement que lui, il a acquis sa parcelle en 2011. Donc ça ne date pas d'aujourd'hui. Ce que nous dénonçons, c'est qu'on on est... Euh, à la veille du Magal, Grand Magal de, de, Touba, à une semaine exactement, on nous a averti que des caterpillars sont passés dans le site. Ils ont détruit euh, les bâtiments. Ils ont détruit les bâtiments qui étaient, érigés, là-bas, euh, les fondements et même les onglets et bornages qui délimitaient les parcelles. alors, à notre grande surprise, nous n'avons pas reçu de sommation, pas d'avertissement et aucun papier justifiant cette destruction-là. C'est à quatre jours de la, du Magal de, Touba que des agents de la DESCOS sont, nous ont trouvés sur le site et nous ont fait savoir que ces destructions ont été effectivement faites par euh, euh, la, DESCOS pour deux prétextes. D'abord que nous n'avons pas d'autorisation de lotir, mais c'est parce que le site est, un titre foncier où il y a un bénéficiaire de bail. Et il nous a parlé d'une entreprise appelée DMS. Cette entreprise appartient effectivement au maire de la commune de Théanpel-Niag, d'où les initiales de, son, euh, de, la, la DMS, Diop Momar Sokhna. Et il nous avait dit que si vous faites des levées topographiques, vous verrez que les données vous donneront le, numéro de ce titre-là. Et quand on a vérifié, on a trouvé que ça, ne s'est pas avéré effectivement comme il le prétendait. Au contraire, on trouvait toujours le 14043R qui est propriété euh, de la délégation générale du pôle urbain. Mais nous ne sommes pas arrêtés là. On est allé vers euh, les impôts domaines la conservation foncière pour chercher les états de droit et de titres dont, dont on parlait. Et sur ces états de droit réels, effectivement, on a trouvé qu'il y a le nom de DMS qui est bénéficiaire au bail, résultant d'un axe administratif signé en 2017. Le fait que des gens qui ont acquis des terrains de manière légale puissent être sous la menace euh, effectivement d'un l'île local et principalement le maire de la commune, prétextant que c'est un titre qui lui appartient, alors qu'en réalité, il y a des titres antérieurs à tout ce qu'il raconte. Au bas mot, nous pouvons assurer qu'il y a au moins 650 individus qui sont impactés par ce problème. Maintenant, à savoir, il y en a qui ont deux ou trois parcelles, comme vous, avez, pouvez le comprendre, ce qui fait que nous tournons autour de 1040 parcelles. Nous savons que nous man mënumaa daw bay xeex waaye ñu ko gën a féetee xale gën koo nekk ay bandi ñoo am pële ca terrain yi te bu ko bëggee jël bu yeboo mu préparé def foofu cimetière boo xam ne ci lay suul ñam ña nga moom ña ko si xel duñ fi nekk di seetaan benn nit mën a jël suuf su tool noonu nga xam ne nii ay junni ay téeméeri nit lu mat junni nit sax am na fa doyewu ko dara lu dul jaay ko jël xaalis def ci poosam xanaa kilifa yi duñ seetaan muy toroxal nombre de personne yooyu pour intérêt boppam